la Cour constitutionnelle donne les résultats, quels que soient les recours qu'on va déposer, ça ne va rien donner. On l'a fait plusieurs fois et on a les mêmes résultats. Donc, pour moi, le président Isaac a parfaitement raison de ne pas faire recours. Mais aussi, le parti ne reconnaît pas les résultats. Isaac, c'est un homme de paix. Il cultive la paix. Il veut la stabilité nationale. Donc, si quelqu'un comme Idrissa veut diriger le Sénégal et mettre le chaos le Sénégal, ça n'a pas de sens. Il n'a pas de, confiance au président Macky Sall. Il l'a dit, il l'a répété. C'est à, à M. Macky Sall de prouver à Idrissa qu'il va tenir parole. La sorte de Khalifa va plutôt renforcer, la coalition de 2019. Parce que Idrissa est Khalifa euh, ils ont commencé leur compagnonnage depuis plus de depuis avant avant 2012. Donc euh, si Khalifa est libre, Karim est libre, mais c'est un plus pour la coalition. Le parti Rémi est un parti bien structuré et qui a des objectifs très bien déterminés. Non, il est né en 1959. Prenez 1959 moins 2024, vous n'aurez pas 70 ans. Pourquoi il ne sera pas candidat nous, on va prendre tout ce que la Constitution nous donne comme droit, on va l'appliquer. Pour les élections municipales, nous irons à coalition, ça c'est sûr. Et on tend la main à tout le monde, parce que ça, c'est pas c'est un problème de, de, la commune des HLM. Donc, euh, si on voit des associations ou des mouvements, des partis qui peuvent changer la vie de la population des HLM. Mais nous, on va, y aller sans réfléchir. On va partir à coalition avec... On n'exclut personne. On n'exclut on On aucun parti. Et on est prêt à partir avec tout le monde. Si et seulement si, c'est pour les intérêts de la commune des HLM et non pour les intérêts personnels. Le peuple a élu ses députés. et, il faut les laisser. On doit respecter le, suffrage universel des, députés. Mais, mais, mais c'est ça la démocratie. C'est ça la démocratie. On ne peut pas changer quand on veut pour le compte de X ou Y. Il faut laisser les gens faire ce qu'ils doivent faire. Et ça, c'est un problème d'État, ce n'est pas un problème de personne. Il faut respecter l'État. Et l'État, c'est le peuple le peuple a décidé de nommer ses députés pour 5 ans, il faut les laisser le temps de faire son le, temps de faire leur travail. Je remercie tout le monde, je remercie la coalition ID 2019, je remercie euh, Tahao Dakar, je remercie euh, Grand Parti, je remercie Boko Gis Gis, les Abibou, les et tout le monde, tout le monde, Nafi Ward, ils ont tous travaillé, ils ont fait tout ce qu'ils devaient faire tous les résultats couplés, Benoît Bokoyakar a perdu la commune des HLM. Parce que l'opposition réunie, nous avons 53,86%. Benoît Bokoyakar a 46,21%. On était même sûr à 400% qu'on va y aller en deuxième tour. Ce qui s'est passé, nous avons moo tax am na yoo xam ni bul mës a wax ni lii mooy am parce que lii moo war a nekk politique c'est des contextes de circonstances te loolu il faut que nit ñi di si bàyyi xel. waaw ah, mooy remercier ñëpp sargal ñëpp xam ne Sénégal suñu Sénégal buñ ko yàq bu ñu kenn dugal si gaal goo xam ni dañ du du duñ si génn wala buñ si dee génn coono la dañu war a xam ni ñun jàmm moo ñu jig. senegaal jàmm moo ko jig parce que li fi jaar ak ñi fi jaar ak ñu baax ñi fi tëdd dara lu ko yëngal waruñoo waruñoo waruñoo ñor nguur jaru ko leneen jaru ko parce que dëkk bi ñu nekk yàlla xéewal nañu xéewal boo xam ni des na tuuti rekk li sëñ Saalu Mbàkke waxoon kuy dimbali nit dimbali ko léegi ndaxte desatu di bëgg di nga yor looy dimbali doo gis koo ko jox te Sénégal googu la ñuy jëm kon nag nañu muñ tàppe xol yi nekk benn yenente lu baax damay faral di wax ni kaay wóolu ma jarul jarul xuloo kaay wóolu ma rek jarul xuloo te ima jiite leen jarul xuloo kon lan sa nar du jàmm nañu bàyyi ngir sénégalais yi ñoom seen bopp ak askan wi ñuy décider seen bopp loolu laa amoon lu ma si ñëw jokk jërë ngeen jëf